l'objectif de l'atelier, c'est de fédérer tous les habitants de Gramédine, toutes les obédiences confondues, que ce soit responsable politique, responsables d'Aïra et autres. Parce que depuis le mois de Ramadan, on avait initié une émission qui s'appelle Campagne de sensibilisation sur le Covid, pour sensibiliser les gens à prendre les mesures barrières. On avait invité euh, les, responsables politiques, on avait invité les, les, médecins, les ICP et tout pour parler de ça. Mais en marge de l'émission, on avait parlé aussi des problèmes de quartier. Particulièrement, qui connaît Grand Médine connaît qu'il y a un problème de l'assainissement. Qui connaît Grand Médine connaît le problème du cadre de vie. Qui connaît Grand Médine connaît aussi il y a la sécurité. Beaucoup de gens ont peur d'entrer à Grand Médine. C'est pourquoi nous, nous avons initié cette rencontre, convoqué tous les responsables ici pour parler de ces problèmes et de fédérer nos efforts pour poursuivre les dossiers de Grand Parce que vous connaissez, chaque année, pendant l'hivernage, il y a d'énormément, de problèmes au niveau de Grand Chaque jour, vous venez faire des couvertures pour parler des inondations. Et il y a des projets extrêmement importants ici dans le quartier, comme le BRT. Est-ce qu'on doit construire le BRT ici et laisser le quartier de Grand comme ça c'est extrêmement difficile. Un, projet qui fait des milliards et des milliards alors que Gramedine n'a pas d'assainissement. C'est sûr que tout le, travail qu'ils vont faire là-bas, c'est zéro. Parce que l'eau va envahir le, projet. Donc nous, nous profitons de ces moments-là pour sensibiliser les autorités, pour, pour sensibiliser les bailleurs, de suivre, de répondre à la population de Grand Nous, nous avons fédéré tout le monde. Le reste maintenant, c'est à l'État de retourner pour regarder la population de Grand Médine. Regardez toutes les cités qui euh, entourent la commune, on les appelle des cités. C'est seul le Grand qu'on appelle Grand Village. C'est seul le point noir au niveau de la commune. Et nous voulons, nous, en tant que responsables, en tant que jeunes des quartiers habitants et qui naissent ici dans le quartier, nous voulons que ce problème-là cesse. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État, nous lançons un appel au président de la République, à ses ministres, aux bonnes volontés, aux maires, tout le monde de fédérer nos efforts pour que Grand soit une cité comme les autres. C'est ça l'objectif de cette rencontre. C'est pourquoi nous avons convoqué cet atelier pour discuter, nous d'abord. Nous allons discuter ensemble pour sortir nos propres problèmes, ensuite aller vers les, autorités. C'est pourquoi vous voyez qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, à part quelques techniciens qu'on a appelés comme la police, le représentant du maire. À part ça, c'est tout ça, c'est la population de Grambine qui se sont chargés d'organiser ça pour sortir leurs propres leur propre Au sortir de cet atelier, nous voulons euh, faire euh, coucher un document qui sera un, un carnet de bord pour tout responsables de Grand que ce soit religieux, politique ou autre, pour que Grand parle la même voix. Eh, des sant waa des yëpp de population Grand Médine bi eh, sababu daje Il y a dafa dogal eh, Covid 19 bi duggee Sénégal 19 mars bi daayira ak maladie bi fi mu toll foog ñu jàpp ci sensibilisation mo waralon ci panelu mbaa mourid bi ñu don invité ay borom xam-xam ay docteur yo xamna ci daara ji lañ nek waye di invité ay homme politique yo xamna ci dëkk bi lañ nek euh, ngir ñaax leen ci ñu jappalé seen population seen kéem katan euh, loolu biñ koy defit ngir Covid bi waye lañ ci don profité waale di ci boole dëkk bi gramidine nga xam bo boo ci commune bi mu bokk di Patte ñoom ñëpp moo leen moo fi njëkk waaye tey yeneen cité yooyu ni mu mel euh, dëkk bi melagu ko euh, te loolu nit ñi dañoo jàpp ne daayira moom danga war a jàng xasida joxe addiya naan café loolu baax na ci la waaye ñun dañoo nekk daayira boo xam ne dañuy liggéeyal sëñ Tuubaa ci biir nit ñi nga xam ne lépp loo xam ne am na rek ci ci jamono daayira bi dana si def kéem kattanam loolu nag moo moo jur réussite bu toll nii nga xam ne suñuy waajur suñuy mag suñuy nijaay yàgg nañ bëgg am lii mooy fédéré bépp homme politique bu nekk ci dëkk bi ak personne ressource tey nag ci ci barke sëriñ bi loolu yomb nañu à travers émission yi ñoo def panel bi nga xam ne dem nañ ba invité si homme politique yëpp ba ci maire bi ban na nga xam ne suñ ko tuddee rek dana yóbbaale ñëpp euh, léegi nag loolu nañu jëmmal tey fii ngir woo leen ngir loolu am suite ci par rapport ak commune bi mais plus particulièrement fii ci Grand Médine si lu jëm si assainissement lu jëm si cadre de vie lu jëm si sécurité lu jëm si santé bi ak loo xam ne problème Grand Médine la nga xam ne lépp am na fi ngir ñu toog waxtaane ko buñ ci jógee ngir am ay solution waaw liñ ci xaar ci bi rek mooy liñ doon waxtaane ci panel bi ku ne toog sa sa néeg wala fa nga toog ñu waxtaane ko tey jëm yooyu yëpp dajee dañoo bëgg suñ fi duggee ndax atelier bi dañuy dem ba 16 heures 17 Euh, madame la maire moko monsieur le maire moko mom bala Grand fi ñun suñu problème solution yi nga xamné mom bëgg ne ko ñu ba merci euh, aujourd'hui euh, les populations de Grand Médine sous la conduite du Daïra Maj après quand même quelques séances de discussion avec euh, les bonnes volontés du quartier et les personnes ressources durant la période du Covid, hein, en, occupant les gens dans leur maison à partir de 20h jusqu'à 21h. C'est ce jour, dimanche 28, que cette daïra a convenu pour quand même que toutes les activités ou bien toutes les conversations qui ont été débattues dans, dans, ce, dans cette plateforme puisse quand même être euh, matérialisé par un, contact B2B et d'échange afin de trouver les solutions idoines pour les problématiques du quartier de Grand Médine, à savoir le problème de la restructuration, la sécurité, et surtout l'assainissement qui se trouve être le cheval de bataille de toute la population de, la Grand Médine. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui ici au niveau du centre socio-culturel de la Padoie ou bien de Grand Médine pour en débattre très longuement et essayer de condenser le fruit de ces discussions en un document et en collaboration avec la collectivité locale la commune de la Padoie et les organismes sociaux tels que les ONG et d'autres partenaires privés qui sont prêts à accompagner les populations de Grand Médine pour que ce travail qui a été fait puisse être matérialisé sur le terrain avec des réalisations pour le bien-être et le soulagement des populations de Grand Médine. Euh, du côté des habitants Grand euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous croyez que ce serait la bonne recette Oui, vous savez, à force de à force d'essayer, on trouve toujours la bonne recette. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que à travers plusieurs panels, à travers plusieurs cadres des populations de Grand Médine ou bien des groupes habitants à Grand Médine, de manière dispersée, ont essayé de porter, euh, de porter le combat. Mais à la fin de la journée, on s'est tous rendu compte que cela ne nous mène à rien. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont jugé nécessaire de fédérer toutes les énergies de cristalliser les forces et de venir maintenant autour d'une plateforme qui qui qui sera la plateforme mère. Cette plateforme, elle n'est pas encore née. Mais nous saluons le Daïra euh, Mognorini, qui se trouve être aujourd'hui la locomotive de cette, plateforme qui sera peut-être, qui verra le jour euh, euh, d'ici une semaine ou bien d'ici un mois. La particularité est, toute simple. Aujourd'hui, toutes les structures qui foisonnaient dans le quartier sont présentes ici. Donc, si les gens conviennent de se retrouver dans une seule plateforme, cela veut dire que demain, il n'y aurait aucune contestation pour que cette, plateforme-là puisse aller de l'avant et prendre en charge les, revendications des populations de ce quartier de Grand